Génération FM. Generation FM, the best radio. J'ai entendu les doléances qui sont posées par-ci et là. Je réponds par ceci. Nous sommes tenus en discipline gouvernementale. Le Premier ministre n'a pas encore fait la déclaration de politique générale. Nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas venus forcément en tant que ministre. Et même si c'était le cas, le moment n'est pas venu pour que nous puissions nous prononcer sur cette rubrique. Mais le moment viendra où nous serons obligés de nous prononcer envers vous. Mais moi, j'ai une doléance envers vous. En retour. Et je voudrais que vous la notiez. La doléance que nous avons envers vous, après que vous vous ayez rappelé qu'il y a une façon que nous avons faite pour gagner. Le parti PASTEF n'était pas venu pour faire la résistance. On nous a imposé la résistance, c'est pourquoi nous avons résisté. On n'a pas écrit dans le protocole du parti ou dans les statuts du parti un parti de résistance. La résistance nous a été imposée. Et on a fait, on nous a détourné de notre activité principale. Je voudrais prendre la liberté d'appeler tous les patriotes à faire un sursaut patriotique pour accompagner le gouvernement. En quoi faisant Retournez et reprenez les vacances agricoles patriotiques. Retournez à faire les dons de sang qu'on nous connaît. Retournons à faire les activités citoyennes. Le parti doit vivre dans la positivité pour laquelle il a été créé. L'énergie que les jeunes ont utilisée pour faire le Gatsa Gatsa est encore en eux. Je voudrais demander l'orientation de cette énergie-là au soutien des actions du gouvernement. Ça ne va pas être facile. J'avoue que ça ne va pas être facile. Mais ce sera moins pénible si vous soutenez. Le soutien est multiforme le président Basirou Diomaye Faye a pris la première mesure pour protéger les lanceurs d'alerte. Les NITDOF sont interpellés. La première mesure qui a été prise, c'est de dire ceux qui signalent les choses qui ne marchent pas, nous allons les protéger pour qu'ils n'aillent pas en prison pour avoir dit la vérité sur une chose qui doit être rectifiée. Donc nous implorons ce soutien actif. Nous devons nous réorganiser pour faire dans des activités économiques du parti. Le président Ousmane Sonko nous a toujours dit que la vocation première de PASTEF, ça doit faire en sorte qu'aucun ministre ne, ne, pense à utiliser les moyens de l'État pour faire la politique dans PASTEF. Ça, c'est grâce à un phénomène extraordinaire, le don de soi pour la patrie. Il ne faut jamais oublier le don de soi. deux mots en Mais avant, je voudrais dire quelque chose sur notre parrain. Je rectifie le parrain qui vous a dit qu'il est capitaine. Il ne sait pas quand il était à Rebus, les jeunes l'ont promis général dans PASTEF. Général Bilal, nous, nous permettons, et j'insiste, nous vous interdisons de vous parler de, parler de vous de capitaine dans aucune séance publique. Vous êtes érigé en général parce que vous êtes l'exemple type de la résistance. Il arrive qu'on dise Bilal est un fou. Moi j'ai été c'est Bilal. Je dois avouer, quand Bassirou Diomaye me présentait Bilal, j'ai accepté parce que je respecte le président Diomaye. Mais j'ai connu ce jeune garçon pétri de talent, diplômé, et ça les gens ne le savent pas parce qu'il parlent tout le temps en offre aux gens. Ils ne savent pas que Bilal est polyglotte. Il peut te parler français, anglais, chinois. Je ne savais pas qu'il a vécu autant de temps ailleurs avant qu'on le demande. Ils ne savent pas que c'est une personne chevronnée de l'entreprise qui kii dafa teki bala muy xalat def politique et la première fois que j'ai connu véritablement l'homme c'est quand j'étais à Ziguinchor ba muy qui papam ci néegam bu mujj ci armeel yi laa ne jekk xool bilal lima jang ma dit ci yow bu nitu diine nga et ça les gens ne savent pas que c'est le cordon ombilical qui lie Bilal à Ousmane Sonko Dîner. moi ça ça m'a marqué de vous en vous et je voudrais mettre en œuvre m'engager à mettre en œuvre les deux idées que tu m'as déjà remises pour le succès de mon portefeuille ministériel, que je ne dirai pas ici parce que je me suis interdit de faire un engagement, parce que la déclaration de politique générale n'est pas encore faite. Mais je te remercie énormément pour ces belles idées. Et le moment venu, je leur dirai tout haut et tout fort, sans complexe. À travers toi, tous les maires sont aujourd'hui gratifiés. Et je sais que les ambitions que tu as pour faire de Kermassar la ville la plus rayonnante, tu vas les réaliser Si tu ñëwee ak nit dof dama kontaan ba xaw ma sax lu wax nit dof ndax nit dof ak man ñoo planifié un concert nous avons même réservé l'hôtel avant qu'on le mette en prison et il avait envoyé une première équipe c'est le concert de Bignona qui a amené Nit Dof à Rebus je vous assure c'est moi-même, c'est moi-même qui suis allé à la préfecture pour demander l'autorisation du concert de Nitoff. Et trois jours avant le concert, ils sont allés le cueillir. Et je peux le dire aujourd'hui, le journaliste Papsane m'avait signalé avant qu'on le cueille pour nous dire que c'est le concert retenu par Nitoff Abignona qui va l'amener en tôle. Et il a résisté en acceptant, en assumant. Bignona se souviendra pour toute la vie. Je commence à être long. Je commence à être long. Mais nous avons dit journée, journée dommage. Mais il y a un jeune Quelqu'un a fait le témoignage, mais je vais dire ce qu'il n'a pas dit. Dieu a fait que lorsqu'on était chez le président Ousmane Sonko, 12 jours, où nous avons vu des chars de combat qui jettent des lacrymogènes en rafale. C'est la première fois qu'on le découvre à Ziguinchor. Comme Wali Diouf a eu un bracelet au pied, ne pouvait pas venir. Djibigay qui devait venir comme chef de protocole, on a retenu toute la garde présidentielle. Le président Ousmane Songo, y a le président Ousmane m'a nommé comme chef de convoi de la caravane de la liberté j'avais la lourde mission de conduire la caravane qui devait nous amener de Ziguinchor à Dakar en passant par le lieu emblématique qu'on appelle désormais la bataille de Velengara. Je rappelle que Ibougueï est le plus jeune coordonnateur départemental du Sénégal. Parce qu'il est également membre de la JPS. Lorsqu'on est arrivé à Diaobé, c'est là qu'on a compris qu'ils nous ont envoyé 10 camions pick-up, 3 camionnettes remplies de lacrymogènes et 4 chars pour nous accompagner jusqu'à Dakar. Mais l'ingéniosité de ce garçon et l'audace nous ont permis à trois pros, Ibougué et moi, de déjouer tout un, tout un peloton de gendarmerie grâce à Ibougué, l'homme du clan d'eau. Et ce que Ibrahim Adjemene ne vous a pas dit sur Ibougué, c'est que quand il a compris qu'il était détecté, il a décidé, malgré le risque, d'accompagner le président Ousmane Sonko jusqu'à son retour, sachant qu'ils allaient être pris. Il a été pris ensemble avec le président Ousmane Sonko. Il a tenu à venir. À travers lui, tous les détenus et les fugitifs soient remerciés.